tey dalal euh, Diam di nuyu Georges euh, directeur général euh, euh du bureau bi nga xamni fa la amalé foire bi foire internationale de Dakar euh édition ren bi tàmbali na altiné waaye gis naa yéen kay tay ci suba di laaj ba xam foire bi warees na amal ba euh ndax ma ngay junj njëriñam ak ci wayam ak yooya loo tontu. oui Babacar d'abord magui nuyu askanu Sénégal bi nga xamné ni ñu déglu fi RFM matin euh, Fils ci Sénégal mais également au niveau de la diaspora di wax alhamdoulillah rabil alamin euh, foire internationale de Dakar bi nga xamné ni moy la 31e édition démarré nañ ko depuis le 7, té inshallah allah dinañ ko le 31 décembre kon di wax rek question bi nga xamné ni wax nga ko tay amna ben journal bo xamné ni japp na ni c'est pas du journal de référence bu wax ni est-ce que waruñu xaw arrêter je ne sais pas l'organisation de la FIDAC c'est parce que ils n'ont rien compris tay sénégalais yi lañuy waxal moy li nga xamné le centre international commerce extérieur du Sénégal. Euh, question de fond bi pose le journal bi aussi euh, mën nañ ci bon bien sûr. xam nga lu ci wara war a waxtaan mooy ni derrière li nga xam wax nañ ko am nañ ñu nga ni mën considérer comme des prédateurs fonciers Tay sénégalais ñu ñuy déglu Salou Keita à la tête du CICES j'ai révolutionné le centre De loolu nous avons des indicateurs yi wane ni jëlee ko à un niveau A J'ai à un niveau M ou N sénégalais dugg biir ils verront un changement extraordinaire là-bas té loolu lan moko indi une nouvelle orientation qui s'inscrit dans une dynamique du renouveau du centre mais également de la foire internationale kon ñi nga xamné ni derrière cette affaire là lenn mo leen intéressé moy le foncier ñom dañu ni on doit délocaliser le CISS. Manalen, on doit délocaliser une activité du CISS parce que tay le CISS on est frappé par la vétusté de nos infrastructures Tout le monde est Nous dans l'événementiel économique on a besoin d'infrastructures modernes le président de la République Macky Sall nous avons fait l'état des lieux pour nous mesurer véritablement le poids de la mission Binga nga autorité mais l'état des lieux a révélé beaucoup de choses Mon nous avons travaillé sur une nouvelle feuille de route mais également une maquette futuriste du CICES et le président de la République Macky Sall ma il a mis en place un comité pour la réhabilitation du CICES. mais euh, faut-il éliminer la la FIDAC bokkul ak faut-il euh, tas li nga xamantene ne moo di euh, ndax CICES ak FIDAC bokkul FIDAC xëy na dafa bokk ci li CICES di ci la muy yëngu. xam nga tey moo tax orientation bi tey que ñu fexe ba mu nekk un euh, euh, euh, centre des affaires véritable centre des affaires de la promotion culturelle mais également des loisirs te aussi c'est par rapport au contenu si c'est un patrimoine un patrimoine économique un patrimoine culturel tous les Sénégalais da mutualiser nos efforts mais pas pour des intérêts crypto personnels C'est si c'est un agent du succès anonyme ce n'est pas courageux les gens du succès, mes collaborateurs je les félicite je les encourage je les gën a loxo parce que ay gor lañu. que hmm. ces ci organisation. attendez vais terminer. waaw que que ci organisation. mais moi je ne suis pas un dieu une gestion n'est jamais parfaite Il y a des zones qui sont mais les succès. chaque fois qu'on doit organiser la FIDAC mais on fait une assemblée générale ni wax seen xalaat. mais euh, question de fond bi ñu wax sank euh, Salihou Kayta directeur général CICES. Mhm. Euh, FIDAK bi ubbi na le 7. Mhm. foog na ci gëna am solo ci njënd meeg njaay mi xamna naa altine la démarré le 11. Mhm. du noonu mais campagne bi waroon tax Sénégal gi yëpp xamni foire tàmbale na ak na foire tambalé wul ci yow rek hein yeneen directeur généraux yi la jitu itam ati yi weesu bu ñuy amal foire bi ñëpp dañ naan wa foire bi kañ la tàmbali loolu mom setlu ngeen kom xam nga campagne bi ñu def mo tax tay jii ñu am ay statistiques yo xam ne ni am solo lool tay bo defé une étude comparative par rapport à l'année passée ren am nañu 30 nationalités yi nga xam ni ñu ngi participer à cette présente édition amna dëkk yu am solo yu melni Arabie Saoudite yu melni Belgique yu Suisse lu Allemagne Rwanda lu Côte d'Ivoire la popularité. Hein, mi lañ wax. dama bi ma lay chiffres à pareil moment on était à 256 exposants directs ren ñu à 336 exposants directs avec plus de 2000 exposants indirects. Damone, s'il n'y avait pas de campagne, la campagne, ce n'est pas de prendre les radios du WAC, mais on s'est déplacé. les opérateurs économiques, au niveau national, les opérateurs, nous avons les chambres consulaires, les chambres de commerce, les chambres de métier, toutes les régions du Sénégal sont présentes. À l'international également, nous faisons avec les chambres de commerce à l'international. Dem de rencontrer les autorités en charge de la politique commerciale C'est ce waral tey ji ah gan yi au nañ Sénégal mais bu nous, ñun sénégalais suñu biir avancé avancer des arguments fallacieux qui ne tiennent pas je suis désolé. lu jëm ci wàllum euh, affluence bi ci visiteurs est-ce que yokku na wala yokkuwut. on attend de terminer bu ñu terminer dañ doon wax ni nous. comparé à pareil moment d'aujourd'hui. non Bobu, il faut que nous terminer mais Rennes, je vous dis on va hmm. battre le record parce que nous dépasser les 350 000 visiteurs. Et statistique, journalier, chaque jour, nous avons au minimum 16 000, 17 000 visiteurs. Et ça, c'est important. Donc, ce débat de bas étage-là, d'où tardel. Ko xam sa le ukeeta, xam nani, je n'ai pas de rétroviseur. Je me dénk liggéey, mo wara Je sais que je xam nani ma ngi liggéey. Ken d'où tardel, je fonce leneen est-ce que l'on yëpp bu euh, Doha Expo 2023 indilu leen gàllankoor ndax daanaka ren ñëpp a fa de xam nga Salou Keita est très courageux Si nous wax Doha 2022 2023 moi je parle de Expo Dakar 2023 ce qui se fait à l'étranger là nous immobiliser di dem nous Nous mutualiser nos efforts ici Sénégal on va faire mieux que ça

lolu moy deug ah yéen yor nguur mën leen ko waxtane sen biir. non dama ni. dama ni amul coordination. j'ai dit la foire internationale de Dakar tay dañ ko inscrire dans l'agenda républicain di saluer au passage le ministre Abdou Karim Fofana bi nga xamné ne ni tey ba mu yegsee fii que assom yóbbu won ci collaboration ak Saliou Keita la direction générale Abdou Karim Fofana yóbbu nako plus te lolu mo am solo maintenant mais toutes les directions amnañu son autonomie de gestion tay du len forcer ne ñew len participer et déjà. kon ASEPEX bokkul ci sa foire bi. ils sont là-bas dem len tay ngeen xol sen stand vous êtes des journalistes. est-ce que lu nga sen taxaway amna solo soloom wala non du fi la koy waxee. Hmm. en tout cas j'ai de très bons rapports avec madame euh, la directrice générale. j'ai de très bons rapports avec elle Li am solo moy journalistes yi dem len ngeen xol tay ben couac rek la am et je le dis ñep di rigi ñep di ko deg ben quoi? Qu'est-ce am. Moi, je suis docteur en marché public Salut, je suis docteur en marché public euh, marché public par rapport à la moquette xam nga booy def foire foire de dimension internationale il faut de la qualité qualité bon moi, il faut que nous def moquette moo sur nous plan de passation de marché nous avons mis loo moquette mais qui a gagné mu am deuxième recours et l'ARCOP l'agent de régulation de la commande publique demandait à ce que nous arrêtions la procédure C'est le texte arrêter procédure bi nous xaar euh, verdict comme on dit nous devons reprendre la procédure bañ koy on avait que 21 jours 21 jours nous ki à l'étranger indi Mokati, bi e alors mais on s'est débrouillé ba nga xam ne ni ku dugg di nga gis ay moquette te loolu du ma ko nëbb je le dis ñëpp dégg moi je ne suis pas un hypocrite lépp loo xam ne mooy dëgg mooy réalité. bon après il faut pas qu'on personnalise le débat euh, monsieur le directeur général am déet. waaw non xam nga lu tax ma koy wax noonu parce que si njëlbeen nu ñu commencé suñu waxtaan ak journal bi nga xam ne mooy le public kenn xamu ko gis nañ lu ñu bind et je dis c'est pas eux. journal bi euh, troisième jour le soleil. <laughs> ni wala journal mais pas le public. on a l'impression que amna li dañ la je le dis haut nous avons révolutionné le on a mis en place un cadre de vie parce que nous avons ni il nous faut beaucoup de partenaires il ne faut pas que nous talk décembre organiser une c'est terminé on croise les bras ce n'est pas ambitieux Nous tax conseiller l'autorité pour nous def un lotissement à usage d'habitation on était 107 hectares on est à 30 hectares quand tu es dans l'événementiel économique le parking fait partie de l'offre embouteillage on est frappé euh, la réduction du périmètre géographique Babacar ren innovation pour nous indi c'est la digitalisation des entrées parce que nous wax ne chaque fois que organisons organiser FIDAC, l'embouteillage mais nous, nous écoutons le grand public Nous dañu apporté apporter des initiatives des innovations pour répondre aux attentes légitimes du public. Oui, mais même ça, il y a des limites, hein, parce que ah oui, euh, ticket de 600 L'œuvre humaine n'est jamais D'accord, euh, digitalisation, QR ah, code et cetera waaw non dama lay wax fofu parce que da nga wax ci ticket yi dafa am lu am solo lu ci am parce que da ngay ni 1000 francs euh, da ngay ni 600 cent ñu bëri dañuy ñëw indi 1000 francs ba 2000 sa gaay yi neen amuñu weccit ñu dëpp ñibi loolu pertement la ci ci ba ngeen def 600 cent waroon ngeen xam ne waroon ngeen weccit bu bëri oh, nu ñu koy def te loolu on a pris des dispositions avec Dakar Dem Dikk avec les banques pour régler cette question là parce que en amont on a réfléchi mais dama ne le grand public dañ leen ni déglu on essaie d'apporter des solutions pour répondre à leurs attentes légitimes Taïdi, dit... la digitalisation Babacar depuis chez toi depuis Angleterre tu prends le billet ce qui se fait à l'étranger nous, dox on fait du bench dañuy dem di guise. mais pourquoi pas chez nous mais si nous chez nous nous joxante loxo foofu lay waxee Babacar kon di wax même euh, dans le cadre RSE mais on a mis ce qu'on appelle digifoire l'exposant il vient on lui dit tu mets 5 produits on le met gratuit ni du di à distance di faire une commande mais au-delà de 5, tu peux payer etc. Quand li solo euh, on a vécu le euh, Covid-19 des foires virtuelles on est en train de tester pour voir est-ce qu'on ne va pas aller vers des foires virtuelles parce qu'il faut innover les ma sénégalais yi dañ leen ci xaw a de parce que gars yi ngi ci statut whatsapp yi ngi ci réseaux sociaux yi di Sen seen jaay euh, léegi gis nañ le phénomène des ventes privées yu nit ñi di organiser. des yëpp day day day néewal foire bi am. n'est-ce pas vente privée ngay wax man je suis allé les voir. bari nañ de dem seeti leen ne le cadre idéal c'est pas ailleurs c'est au CICES e la vision de Senghor du président Senghor elle était très belle en 1973. Notre génération, on n'a pas le droit de trahir. L'orientation, le président de la République, Macky Sall, moi, dans cette nous faisons booster le taux d'occupation et de fréquentation. Nous avons vente privée, maintenant, nous avons organisé pour succès. On a un cadre attrayant, un cadre convivial, et ça, c'est important. Vous avez dit que vous fan lañ la réhabiliter le succès la convention de concession nous fexé ba réviser et non nous renouveler ko réviser pour nous, sécuriser le foncier d'abord après dans le cadre du partenariat public-privé on va trouver. non foncier bi euh, oui mais foncier bi tôt ou tard. Euh, ci lañ jëm parce que ay kilifa ko euh, est-ce que président président de la république la première sortie que j'ai effectuée au va faire une sortie pour dire que personne ne doit toucher un seul mètre carré à usage d'habitation gis nga te président avalam pour candidat la faut pas ñuy fonto sénégalais yi kon di wax rek euh, tant que ça le mi ngi tant que le président de la république Macky Sall mi ngi fi ken du un seul. parc des expositions ba jam le parc des expositions on était à l'Assemblée nationale ça fait deux ans je demande à ce que nous rattacher le parc des expositions de Diamniadio au 6 ah non au 6S 10 na déjà 10 boo xam ne buñ ci boole loolee. Babacar ah xam nous demander ça nous permettra ñun ñu délocaliser une activité du 6 cest c'est-à-dire les salons spécialisés si on aurait organisé un salon spécialisé sur le pétrole sur le gaz mais les infrastructures je vous ai dit on est frappé par la vétusté de nos infrastructures on va organiser les 50 ans du 6S lu fang, fàng ñu gis ko jarul ngay laam-laamee waxal lii on avance. Mais si on nous donne aujourd'hui le parc des expressions, ce qu'on est en train de faire à Dubaï, à Nangam Nangam, Salut, va faire mieux que ça. Non, faut de quoi. Non, non, non. C'est eh, Georges. <laughs> Est-ce que vous avez le la formule ba Une fois toutes les deux années Je ne pense pas. D'accord. Parce que bon, avec peut-être les gens se lassent. Ouais, mais je vous ai dit, on a 30 nationalités qui viennent participer.

Dakar le Sénégal le Réunion, on est capable nous d'organiser des rendez-vous économiques commerciaux de dimension internationale je suis capable avec l'équipe qui est avec moi moo le succès est un patrimoine il faut que ku nekk dugal ci sa loxo buñ ko rek envier l'étranger parce qu'on est capable Vous hmm. avez ci la culture moom yuusu fa fa ko waral. ah ñu ngi fay ñu ngi de bay bay bay nga jox au passage damay saluer bu ñaar sunu grand frère la sunu xarit il a le Cissé dans son cœur Lolo xamna ci dara Wali, c'est mon jeune frère dañuy waxtaan mais li nga wax du wax kon c'est notre CICES. Puis, d'accord. bi lan solo solo si ah de <clears throat> la forme pyramidale population sénégalaise euh, euh, couche d'abord am solo par la taille mais également quel l'émergence du Sénégal te jigéen ñi les exposants au CICES 86 ce sont des femmes kon madame le ministre Fatou Diané ba ma waxtaanee ak moom wax ko thème bi ne lii bëgg a def elle a apprécié tey boo ñëwee CICES. kon bokk nañ ñu ci ñi jàpp ci combat bi bokkuñu bokkul ak ñeneen ña. jàpp na et surtout Barthélémy Diaz. des fois il y a carte gi dama ni man les clivages politiques je mets ça à côté quand il s'agit de travailler pour les Sénégalais. Au moment de faire de la politique, je la ferai. Je suis maquiste et je soutiens le candidat Ba. Mais je dis, foire de Dakar, c'est n'est pas foire de Conakry. Barthélemy Dia, Japonais. Mais tout ça, nous kon Je na directeur général kon euh, foire bi FIDAK 31 décembre lay jeex une prolongation prolongation 31 décembre on arrête pare ngeen ngir dund 30 jours de folie chez soumari.com à partir du